Mesdames et messieurs, bonsoir. Il vient d'être à 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Bienvenue dans le forum de studio Kalangu. Le thème du forum de ce jour porte sur la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, ITUE, état des lieux et perspectives. Litueux, l'initiative pour la transparence des industries extractives lancée en 2002, est une norme internationale visant à assurer une meilleure transparence dans la gouvernance des industries extractives. C'est en 2007 que le Niger est devenu pour la première fois pays candidat à l'ITUE. En 2011, il adhère à cette initiative et la met en œuvre pendant 10 ans. En 2017, le pays décide de se retirer de l'ITUE, mais en 2019, il décide de reprendre sa place. Ainsi, en 2020, le conseil d'administration de l'ITUE approuve la candidature du Niger faisant du pays le 53e pays au monde à mettre en œuvre la norme ITUE et le 25e en Afrique. Ainsi, le Niger continue de jouer son rôle dans la gouvernance des industries d'extraction. Alors dans ce forum, nous allons tout d'abord revenir sur le contexte de l'avènement de cette initiative au Niger et faire l'état des lieux. Ensuite, nous verrons l'importance de cette initiative pour les industries extractives nigériennes, les défis auxquels elle fait face. Enfin, avec nos invités présents dans ce studio, nous essayerons de déterminer des perspectives pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif au Niger. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Abdelkarim Aksar. Il est le secrétaire permanent de l'UTUE Niger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Monsieur Ousmane Jubo Lopez, président du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger grain. Bonsoir. Nous avons invité le, ministère des Mines et celui du Pétrole qui n'ont malheureusement pas envoyé de représentants. Je suis une fille Adam Sirfo à la modération. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous débattons ce jour sur la thématique de la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, tuer, état des lieux et perspectives. Je commence avec vous, monsieur le secrétaire permanent de l'ITUE, monsieur Aksar. Bienvenue. merci. Alors, Parlez-nous de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Euh, la transparence, euh, l'initiative pour la transparence des industries extractives est une initiative qui est régie par une norme hmm. que tous les États de mise en œuvre se doivent d'appliquer. Cette norme comprend euh, sept exigences, hmm. donc euh, au total 33 sous-exigences. Quelles sont les, principales exigences, les sept exigences Donc, cette, euh, cette norme, elle est là, la norme 2019. Mhm. Elle est euh, téléchargeable sur le site du DNITUE, ainsi que tous les le textes DNITUE, qui e, sont... Le dispositif national, le dispositif de mise en œuvre. Mhm. Il y a euh, sept grandes, grandes exigences. La première exigence, c'est, on l'appelle la gouvernance du groupe multipartite Mm-hmm. Donc, dans la question de la gouvernance de multipartite, c'est euh, l'exigence une, c'est d'abord l'engagement de l'État, mm-hmm. l'engagement des entreprises et l'engagement de la société civile mm-hmm. dans la mise en œuvre et euh, l'adoption aussi d'un plan d'action, un plan de travail euh, annuel qui doit être mis en jour, à jour régulièrement et qui doit être en phase avec les priorités nationales. Ça, c'est l'exigence 1. Euh, l'exigence 2 est relative à, à, tout ce qui est le cadre juridique euh, qui doit être rapporté, mhm. le, le, cadre juridique d'octroi, de licence et de gestion du tout le secteur extractif. Voilà, du secteur extractif mhm. doit être L'exigence 3, c'est des données sur la production. Mhm, mhm. Qu'est-ce qu'on a produit euh, au cours de l'année Parce que c'est euh, des choses qui ressortent dans le rapport ITUE du pays. Mhm, Et l'exigence 3, elle, elle est relative à la collecte des revenus. Qu'est-ce que l'État engrange comme revenus euh, du fait de, l'extraction de ces ressources. Et surtout, comment sont gérés ces, ces revenus, c'est ça oui, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce que ces données, ces informations-là sur les données collectées sont euh, vérifiées euh, par, euh, en faisant la réconciliation avec ce que les entreprises déclarent. Mhm. L'État déclare, nous avons perçu tel montant des entreprises et on demande à chaque entreprise de déclarer ce qu'elle a effectivement payé à l'État. Mm, mm, Donc là, on va, on compare et euh, le groupe multipartite de l'ITU a limité la, euh, à 5% les écarts. Les écarts les un écart minimum de 5%. Mm, Donc, euh, s'il y a un écart qui dépasse 5%, on est obligé de et essayer de réconcilier pour ramener les choses. Mhm. Euh, dans le rapport 2019, l'écart là n'a pas atteint même les 2%. Et qu'est-ce qui a eh, fait cela Bon, en fait, c'est des ces écarts euh, pour certaines pour certaines sociétés, c'est dû au fait que euh, euh au niveau, par exemple, des sociétés d'extraction d'uranium, mhm. Euh, les paiements qui sont faits à la douane euh, ne sont pas faits directement, ils sont faits par le canal mm-hmm. d'un transitaire. Mm-hmm, mm-hmm. Donc c'est lui qui facture. Donc si les sociétés minières déclarent ce qu'elles payent au transitaire, mais la douane, elle, elle déclare uniquement ce qu'elle a les quittances. qu'elle a perçu. Oui, oui. qu'elle a e-, Donc, euh, si les sociétés déclarent ce qu'elles payent au transitaire ce n'est pas euh, intégralement le, le, paiement, euh, disons, perçu par l'État. Sinon, plus haut, j'ai retracé euh, brièvement les, les débuts du, Niger dans cette norme, son retrait, sa réintégration. En termes d'historique, parlez-nous de l'avènement de l'ITIE ici au Niger. Bon, en fait, l'ITIE on a euh, décidé d'adhérer à l'ITU e en 2005. En 2007, on a été pays candidat. Et en 2011, on est devenu pays, pays conforme. Hum, hum, hum. Donc, à l'occasion donc, du dépôt du rapport donc, de la deuxième validation du Niger, donc, basé sur le rapport 2014, notre pays a été, disons, suspendu pour insuffisance de résultats. Et euh, le Niger a estimé sur certains points que euh, cette décision est injuste mhm. et a décidé de se retirer du processus. Mhm. Euh, donc, grâce donc à, parler que nous avons, que l'État du Niger a engagé directement avec ITU e International, avec mhm. le secrétariat exécutif de ITU e International. Mhm, mhm. Euh, une visite a été organisée et on a levé tous les, tous les problèmes et donc l'État a identifié, ils ont décidé, les deux parties, de travailler maintenant sur de nouvelles bases. Mhm. Donc c'est ce qui a reconduit euh, le Ce qui a fait que le Niger est revenu à, à mhm. Mais il est revenu sur de nouvelles bases. Parce que c'est comme si on est un nouveau pays de mise en œuvre. Mhm. On est revenu sur de nouvelles bases. Et euh, donc tous les deux parties ont décidé de euh, corriger les causes de ces suspensions, de, de, ces désagréments, chacun en ce qui le concerne. D'abord, euh, nous avons voulu vraiment avoir euh, euh, les représentants de l'État pour nous parler vraiment de ces causes. Malheureusement, le ministère des Mines, celui des pétroles, aucun n'a envoyé un représentant. Je reviendrai vers vous, monsieur le secrétaire permanent, le temps de donner la parole au président du groupe de réflexion, d'action et des industries extractives au Niger, le GREN. Alors, merci d'être venu après l'intervention du secrétaire permanent de l'UTIE, vous, quelle appréciation faites-vous de la mise en œuvre de l'UTIE ici au Niger Bon, euh, en tout cas, pour le moment, nous sommes sur la bonne voie. Et, mais permettez-moi de revenir, parce que vraiment, en tant que groupe de réflexion, nous étions dans le processus dès le début et nous avons œuvré, vraiment, euh, nous avons œuvré mhm. et avec euh, tous les acteurs jusqu'au vraiment euh, à la conformité de l'État du Niger. Au début, au début, c'était seulement euh, publier ce que vous payez, mhm. et publier ce que vous recevez. Dans un rapport, C'était facile pour un État. Mhm. Mais c'est facile une validation de. Mais après, il y a des, normes. Les, gens, avec les, propositions de la société civile, avec euh, et les acteurs, nous avons euh, demandé de, pousser un peu les normes mhm. pour aller voir exactement. il ne faut pas s'arrêter aux publications pour voir exactement est-ce que nos ressources impactent la vie mhm. de nos populations. Mhm, c'est ça. Est-ce que ça profite à la population Voilà. C'est Voilà, c'est ça. Est-ce que ça profite Et c'est dans les années 2000, c'est là où ça a un peu coincé parce que le Niger n'avait pas et, vraiment satisfait. C'est beaucoup de, normes dans ce sens-là. Sur quelle base vous le dites Non, je le dis parce que c'est l'ITU qui a dit que au Niger, vraiment, il y a des, trucs qui sont très très insuffisants, mhm. mais il faut revoir et dans deux ans, on va venir. Statuer encore. Euh, Statuer. oui. Mais sur un coup de colère, donc des gens ont décidé de, quitter l'Étude. Mm-hmm. Ils viennent de lire, c'est une nouvelle norme, 2019, mm-hmm. avec tellement d'exigences. Mm-hmm. Tellement d'exigences. Donc, c'est un travail. maintenant, il faut, vraiment euh, s'impliquer à fond. D'accord. Nous allons revenir vers vous, monsieur le secrétaire permanent. Euh, quelle réaction après l'intervention du, grain Bon, j'ai euh, juste une observation c'est l'exigence 7.1 mhm. de l'ITE qui demande à ce qu'il y ait un débat public autour des chiffres du rapport. Mhm, mhm. ok Donc, euh, cette exigence 7.1, c'est une responsabilité qui incombe d'abord au groupe multipartite. Le groupe multipartite ne doit pas se contenter de dire le débat public que nous allons juste attendre tout de l'État. Mhm. Le groupe multipartite, c'est à lui de définir la stratégie de communication, la stratégie de dissémination. Que doit adopter le, groupe multipartite, mhm. y compris dans la stratégie, la question de financement de l'activité, des activités de dissémination doit être définie mhm. par le groupe multipartite. Ça, c'est l'exigence 7.1 de, de, la, de la norme. Donc, on dit de produire des rapports de, synthèse qui sont accessibles au, euh, public. Nous, on a la chance au Niger mhm. d'avoir au sein du groupe multipartite, au niveau de la société civile, mhm. euh, certaines organisations qui sont en réseau. Mhm. Qui, qui font partie du groupe qui font partie du groupe multipartite et qui sont en réseau. Donc ils ont des représentations au, niveau de, chaque région. Donc il est important que euh, la, société civile, dans le cadre de la dissémination ou dans le cadre même d'informer leurs bases qui sont à l'intérieur, mhm. les informer sur euh, sur ce, qui est en train d'être fait et ce, qui est, euh, que nous avons. J'ai juste une, remarque. Mhm. Quand nous avons produit le rapport, nous l'avons imprimé en plusieurs exemplaires. il doit y avoir euh, plusieurs organisations de la société civile qui sont représentées. Ils ont tout le droit de venir demander un certain nombre d'exemplaires du rapport pour pouvoir donc l'envoyer ou à leur, à, leur, représentation, euh, leur représentation mhm, mhm, nationale mhm. pour les préparer. Effectivement. Mais euh, je vous l'ai dit, euh, il y a une seule organisation de la société civile qui a demandé un certain nombre d'exemplaires hmm. pour leurs représentants locaux. Hmm. Mais on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de venir. Hmm, d'accord. L'ITUE, même en tant que tel, on sait qu'il exige la transparence, euh, il demande à ceux qu'on produise des rapports de synthèse. Mais l'ITUE, même concrètement, expliquez-nous comment fonctionne cette initiative en fait, au Niger, ce, qui est, prévu, d'abord, c'est une activité qui est tripartite, qui regroupe la société civile, la société civile, les entreprises et l'État. Mhm. Donc, on fait un cadre de concertation dans lequel on débat de tous les sujets. Mhm. Et à l'issue de ces débats autour des chiffres des rapports qu'on produit, puisqu'ils sont validés par l'ensemble du groupe multipartite, mhm. à travers ces, on peut sortir même des recommandations au gouvernement pour, pour, donner juste un exemple, le gouvernement généralement répond favorablement aux recommandations qu'on a faites. Mm. La première recommandation qu'on a faite lors de, euh, du deuxième, je crois, euh, de la deuxième réunion du conseil euh, du, du, groupe multipartite de mm. concertation, mm. c'est de rehausser le niveau de hiérarchie du texte qui crée le dispositif. On l'a fait et le, le Premier ministre n'a pas a, répondu favorablement et, maintenant le, dispositif, le DN est créé par décret. Mmh, mmh. Par décret pris en Conseil des ministres. Avant, il était décréé par arrêté. Mmh. Et dans le cadre du rapport 2019, on a fait une série de 10, 10 recommandations. Et toutes ces recommandations, le, gouvernement a déjà eh, pris les mesures pour que ces recommandations soient prise euh, prises en compte et les mesures correctives mhm. euh, euh, préparées. Mhm. Donc, ça, c'est un aspect mhm. qui, est, important. Mais je voulais quand même revenir sur la, cause de la suspension du Niger. Parce qu'il est important de, de préciser qu'il y a des choses qui étaient à notre portée que à l'époque nous n'avons pas pu faire la question de la publication des contrats. C'est Les contrats avec Les contrats, les, en fait, les contrats de licence, les conventions, etc. Mhm. C'est une disposition qui est inscrite dans notre euh, constitution, mhm. qui dit que toutes les conventions doivent être publiées au journal officiel. Ce n'est pas fait. Ça n'a jamais été fait, donc. Euh, ça n'a pas été fait. Mhm. Et là, on a été mal noté. Parce que la, la norme dit il faut publier le contrat. On n'a pas fait, on a été mal noté. Deuxièmement, euh, il y a euh, la, question du... Il y a, toute une série de 23 exigences qu'on n'a pas satisfaites. Mais la seule qui avait créé des problèmes, c'est celle qui est relative à la participation de la société civile. Parce que voilà, quand le validateur est venu, mm-hmm. il a constaté que la société civile participe activement au processus situé. Donc il l'a écrit noir sur blanc que la société civile participe. Entre-temps, il y a eu, euh, dans le cadre de la, je crois de la, de la loi de finances 2018, il y a eu des manifestations qui étaient interdites, il y a eu des arrestations mhm. de certains, membres euh, de la, société, civile, dont des membres du groupe multipartite. Mhm. à l'époque, ça s'appelait le Conseil national de concertation, CNC. Mhm. Donc, euh, le, le, e international a pris sur eux de contredire ce que le validateur a dit et de dire que le Niger empêche à la société civile de faire son travail au niveau de l'étude. Mm. Et c'est ça qui a énervé, en fait, le... parce que la, les arrestations ont été faites pas dans le cadre de de, de, Oui. On n'a pas. C'est des, manifestations. Euh, effectivement. Donc la première des choses que, que le, le, reproche qui avait été fait et qu'ils ont fait leur mea culpa au mhm. niveau de. Mhm. Mais la première des choses serait de, de se demander à l'État euh, qu'est-ce qui se passe. Mhm, et qu'ils aient leur réponse et qu'ils fassent leur décision de façon motivée. Mais euh, ça, c'est ce qui a fait que, en fait, ce que le gouvernement avait dit à l'époque mhm. pour dire que non, euh, c'est un traitement injuste. Mhm et qu'on euh, on se retire de l'étude. Mais les autres exigences qu'on n'a pas satisfait, bon, l'État reconnaît. Mhm. On ne l'a pas fait, on n'a pas publié le, le, contrat. Alors, la société civile est présente, vous, Monsieur Lopez, euh, sur cette question, ce problème entre la société, la question de la société civile. Euh, que direz-vous c'est-à-dire aussi que nous, société civile, quand, quand on avait arrêté nos camarades, mhm. nous avons pris comme exigence la suspension de nos activités à l'UTUE tant que nos camarades ne sont pas libres. Donc c'était ça qui a ramené le problème. Voilà, oui, c'était ça qui a amené, mhm. comme il l'a dit, le problème social à l'ITU. Mhm. Donc, et, donc, et c'est ça que, bon, c'est des membres vraiment actifs de l'UTUE. Et, bon, c'est vrai, à partir du moment où on enferme des gens, mhm. il n'y a pas de participation. Mhm. Quel est le bilan qu'on peut tirer, si on peut le dire, de la participation du Niger actuellement, on est sur, la bonne voie. Et bientôt, il y aura une autre évaluation qui va venir en, 2023. Mhm. Donc, vraiment, nous espérons que ça va marcher. Alors, euh, on le sait, euh, il ressort que du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, que le secteur extractif, euh, de par son importance, constitue l'un des principaux atouts sur lesquels repose le développement économique et, social du Niger. Monsieur le secrétaire permanent de l'UTE, les productions du secteur extractif administratif du Niger, on le sait, c'est le pétrole, les mines. Euh, dites-nous euh, comment il contribue, si on peut le dire, à, ce que le Niger garde une bonne place dans le de e? en fait, euh, le rôle de l'itier c'est de faire, en ce qui concerne les productions, c'est de faire du rapportage, mhm, mhm. dire aux populations, fournir des vrais chiffres mhm. Voilà ce que nous avons produit. OK Voilà la valeur de ce que nous avons produit. Hmm. Que ce soit le, le, secteur minier, l'or, l'uranium, le hmm. pétrole. Le pétrole oui. Avec euh, quand même des informations sur le secteur euh, artisanal. Hmm. qui n'est pas euh, dans le champ de, de pour le moment, mais on est obligé dans le contextuel de le, de le préciser. De préciser ce que la production artisanale euh, prévoit. Donc, euh, c'est tous ces chiffres-là, dans le cadre du rapport 2019, nous avons pour euh, information dans notre site ITUE que nous allons continuer à toiletter et à le rendre beaucoup plus accessible, les données de production seront euh, désormais, on compte en tout cas là-dessus, quand on aura réglé des petits problèmes techniques, mm. les données de production seront systématiquement mises à jour mm. au fur et à mesure. Donc à tout moment, euh, le, citoyen peut cliquer sur le site pour dire voilà, la, voilà la quantité d'uranium que nous avons produit en telle année, mm. voilà la quantité à tel trimestre, etc. etc. Mm-hmm. Nous allons euh, mettre ça à jour et euh, toujours dans le cadre de la transparence, nous avons mis en ligne beaucoup de conventions. Mhm. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et notre site a failli clasher. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a des petits soucis techniques. Mhm. On en a placé sur le, sur le site. Mhm. C'est des, conventions euh, qui sont énormément euh, longues. Donc nous allons au fur et à mesure faire le toilettage. Et mettre ça à jour. Oui, mais est-ce qu'il y a un quelconque contrôle sur ces rapports de synthèse euh, qu'on vous soumette Bon, les rapports, les rapports de synthèse, les rapports sont faits par un administrateur indépendant mhm. qui est recruté avec l'avis de tous les membres du GMC. Mhm. Donc, si tout le monde est d'accord, on a recruté telle personne. Il fait son rapport, le rapport est examiné. D'abord, un rapport de cadrage pour définir le terme de, seuil de matérialité, mhm. pour savoir euh, le périmètre, euh, qu'est-ce qu'on va euh, inclure dans le périmètre utile. Mhm, mhm. Ensuite, ce rapport est adopté par le groupe multipartite de concertation. Tous ensemble, nous l'adoptons. Donc, une fois qu'il est adopté, il est présenté au gouvernement et à toutes les, toutes les parties prenantes. Maintenant, question de la fiabilité des données. Oui, justement. Toutes les déclarations de l'État, que ce soit l'État, c'est ceux qui déclarent, c'est la douane, la DGI, le ministère des Mines, le ministère du Pétrole et le Trésor. Hmm. Toutes leurs déclarations sont certifiées par la Cour des comptes. Hmm. Donc aujourd'hui, nous avons dans le rapport 2019, toutes les déclarations de l'État sont certifiées par la Cour des comptes. Hmm, les entreprises, on exige que leur déclaration soit aussi certifiée par leur commissaire au compte ou leur auditeur. Mmh, mmh, mmh. Donc nous avons des données qui sont fiables, qui sont vérifiées au niveau des, entreprises et au niveau de... Donc ça qui est compilé et c'est ça qui nous permet donc vraiment de... Vous assurer que... Voilà, on fait un débat maintenant mhm. citoyen mhm. sur des chiffres qui sont vérifiés et vérifiables. Dans les rapports euh, de synthèse qui vous sont fournis euh, ici au Niger précisément, je sais pas, quel est le secteur euh, de production qui rencontre le plus peut-être de difficultés Bon, ça, j'aurais voulu que le, que le, ministère de Mines soit là. Les difficultés, elles sont vraiment euh, pour l'essentiel externe. Mhm. Si euh, la recherche de l'uranium, euh, vraiment à son plus bas niveau depuis quelques années, c'est dû au fait à, l'accident de Fukushima et la mhm. chute des prix. Mhm, on a suspendu Muraren, on a mis sous cocon la Somina, et tous les travaux de les compagnies de recherche qui étaient très nombreuses une, centaine mhm. et ont dû plier bagages et partir à mhm. cause de la question des prix. Mhm. Alors, euh, merci, monsieur le secrétaire permanent de l'ITUE. Je reviens vers vous, monsieur Lopez. De la mise en œuvre de cette initiative ici au Niger à la date d'aujourd'hui, quel changement euh, ça a apporté pour les secteurs extractifs ici au Niger Oui, le changement, c'est nous avons des données claires. C'est très important pour nous en tant que société civile d'avoir des données fiables, comme il l'a dit, mm. pour vraiment eh, ne pas raconter des, choses qui ne concordent pas. Mm. Donc ça, c'est très important. Et ça nous a permis de voir eh, quelques lacunes. Parce que quand on prend au niveau de l'exploitation de l'or, eh, tout le monde sait qu'il y a des problèmes là-bas. Au niveau de. la production réelle du Niger ne ressort pas. C'est clair. Et en, 2019, c'est moins d'une demi-tonne qui est déclarée. Donc il y a un problème. Tout ça, en tant que société civile, c'est très important pour nous de voir clair que il faut, c'est vrai, le ministère soit là, il faut un travail au niveau du ministère, comment améliorer la production et le revenu de l'or au Niger parce que ça ne va pas. Mais est-ce que vous pensez réellement que cette euh, transparence, que les principes de transparence et de bonne gouvernance prônés par cette initiative sont pris en compte par le gouvernement, par les, autorités nigériennes Oui, la transparence, dès que, pour nous, dès que eh, on, réunit les acteurs, société civile, administration publique et entreprise, déjà, c'est un début de transparence. Mm-hmm. Donc, chacun doit seulement jouer son rôle pour qu'il y de la transparence. Mm-hmm. Donc, pour le moment, pour nous, c'est vraiment bon. Et en matière de transparence. Et le premier rapport euh, de 2019 que le pays a produit euh, après son retour à l'ITU, quelle appréciation vous faites de ce rapport C'est vraiment élaboré et dans les conditions mhm. des, normes. Mais est-ce que vous l'avez parcouru même Si. Mhm. Je voulais rebondir sur la question de, la production d'or. Ce qui est reporté dans le, le rapport ITIE, mhm. c'est la production d'or euh, formelle, industrielle, mhm, mhm. qui est la, SML qui produit une certaine quantité. Maintenant, la question de la production, parce que l'essentiel de la production d'or du Niger vient du secteur artisanal, qui est en dehors du périmètre de ITU. Mhm, mhm. On l'a reporté quand même dans le rapport 2019. Le ministère des Mines a parlé de 6 tonnes produites en 2019. Mhm, Et en 2020, il est question de parler de 33 tonnes. C'est pour ça que nous, on a mis dans notre plan d'action une étude sur euh, les exploitations minières à, petite échelle, mhm. donc qu'on appelle les EMAP. On a introduit cette étude et nous avons eu le financement. L'étude, euh, je crois que en, euh, vers fin octobre, à partir du, du 15-16 octobre, nous mhm. allons recevoir l'étude réalisée mhm. et les propositions qui sont faites pour que on prenne en compte le secteur artisanal dans le périmètre mmh, Parce qu'actuellement, il n'est pas. On fait juste dans le contextuel, on dit voilà la quantité qui a été déclarée de façon euh, par le ministère des Mines comme étant euh, produite. Mhm. Parce que, bon, c'est vrai, c'est un véritable problème. Et le, le, groupe multipartite a inscrit dans son plan d'action une étude là-dessus. Mhm. Nous avons eu le financement mhm. et c'est euh, en fonction des résultats de l'étude, on verra qu'est-ce que euh, nous allons prendre comme, euh, une fois que cette étude est validée, qu'est-ce que mhm. nous allons prendre comme, comme action, qu'est-ce que nous allons mettre dans notre nouveau plan d'action pour pouvoir tenir compte de ça alors, Monsieur Lopez, si vous devez analyser le secteur extractif ici au Niger, que diriez-vous le problème se trouve euh, au, sein, au sein des entreprises. Mhm. Et parce que euh, ce qu'ils déclarent, tu ne vois pas de bénéfices. Moi, je ne vois pas une entreprise qui, qui, a, des bénéfices hein, quelque part. C'est-à-dire, c'est tout ce tout ce qu'on on déclare, et tout ce que on, c'est des, c'est des redevances, c'est des taxes, mhm, mhm. c'est des. Euh, donc, c'est, ce problème-là, euh, il, faut, il faut réparer ça. Mhm. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour la simple raison que l'État déclare l'ensemble de façon exhaustive, l'ensemble des revenus qu'il a tirés, de façon exhaustive, c'est-à-dire au franc près il doit déclarer de façon exhaustive, j'ai reçu ça. Les entreprises qui sont retenues dans le périmètre de conciliation, on leur demande de déclarer les flux que l'État a, déclarés. Mhm. Ils on compare s'il y a un gap, etc. ou pas. Parce que si la société réalise un bénéfice, mhm. elle a des choses qu'elle paye à l'État. Mhm. Il y a le BIC qu'elle doit payer à l'État et qui est rapporté. Malheureusement, en 2019, il n'y a eu aucune des sociétés qui a payé MBIC. cest à dire qu'elle n'a pas réalisé de bénéfice. En plus, l'État, en tant qu'actionnaire de ces sociétés, mhm. doit déclarer s'il reçoit des dividendes, mhm. il, doit les déclarer. Donc, si en 2019, on n'a déclaré aucune dividende, c'est que les, sociétés n'ont réalisé aucun bénéfice. D'accord. C'est pas vrai. Alors Ah, comment c'est pas, vrai Non, on ne peut, pas, peut pas dire de façon. On travaille sans, bénéfice. On, est là de, pendant des 20 ans, on dit on n'a pas de bénéfice. Mais donc, euh, au niveau du grain, euh, qu'est-ce que, euh, quelles sont les actions que vous menez pour vraiment promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans les secteurs extractifs ici C'est d'abord des, des actions de sensibilisation et de nos membres et donc, euh, des, forums comme ça, il y a la participation de nos, membres euh, partout. Comme ce que je viens de dire, il faut travailler pour que et, les intérêts de l'État sortent. Euh, parce que si une entreprise dit que depuis 20 ans, je, suis là mais je n'ai pas de bénéfice, pour nous, ce n'est pas clair. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous débattons sur la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Niger, ITUE, état des lieux et perspectives. Et nous sommes dans ce studio avec le secrétaire euh, permanent euh, de l'ITUE, euh, M. Aksar, et nous sommes également avec le président du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, à Graine, M. Lopez. Le ministère euh, des Mines et celui du pétrole que nous avons invité n'ont pas envoyé de représentants. Alors vous, monsieur le représentant de l'ITUE, euh, à la date d'aujourd'hui même, quel est le statut actuel du Niger à l'ITUE Depuis février 2020, le Niger est euh, pays de mise en œuvre. Donc selon la norme ITUE 2019, il est pays, il est admis comme pays de mise en œuvre. Nous avions une obligation, c'est de produire le premier rapport ITUE selon une échéance qui nous a été, ce qui a été mhm. respecté. Nous allons être validés en avril 2023. Mhm. Donc, on va euh, regarder faire le processus de validation en 2023. Mhm. OK Donc, voilà euh, la situation. Donc, selon. Maintenant, il faut dire que le processus de validation euh, a complètement changé. Avant, c'était euh, vraiment de façon objective. Mhm. Euh, pas de, façon subjective, on dit non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est. On met des couleurs. Maintenant, c'est quoi Maintenant, euh, le processus de validation a complètement changé. Mhm. C'est une estimation du taux de, de satisfaction de l'exigence. Mhm. Donc, il y a des critères tout dernièrement, les pays qui ont été euh, validés, comme mhm. le Sénégal, mhm. ils ont atteint un taux de 90%. Vous pouvez-vous nous donner un des critères à satisfaire Bon, c'est en fait, c'est les, exigences, de la Donc, on, on, euh, mesure. Mhm. Maintenant, c'est clair, c'est des mesures qui sont faites. Donc le Sénégal et nous, euh, dans le, PDS, on, vise, euh, compte tenu de, certaines difficultés, parce qu'on est, on, vient de re-rentrer dans l'étude mhm. et euh, beaucoup, compte tenu de beaucoup de, choses que nous n'avons pas pu mettre en œuvre, mhm. comme par exemple la question de la propriété effective, mhm. nous estimons, nous visons un score de 80, 80 sur 100. Alors que recommandez-vous au Niger pour euh, atteindre cela <laughs> Pour atteindre cela, en fait, ce n'est pas au Niger qu'on doit euh, recommander. Mm-hmm. On doit recommander à l'ensemble des parties prenantes. Mm-hmm. Donc l'État, la société, civile et les entreprises. Mm-hmm. Parce que c'est une entreprise commune. Donc la première des choses à l'État, c'est qu'il faut que ITE soit intégré dans les systèmes gouvernementaux. Mhm. C'est-à-dire que le réflexe Itue euh, soit euh, au niveau des systèmes gouvernementaux, ministère des Finances, douane, etc. Mhm. Donc, pour faciliter le rapportage. Mhm. Aujourd'hui, quand vous demandez une information, euh, le point focal est obligé de faire un travail et euh, en sus de ce qu'il est en train de faire, un travail donc de compilation, etc., pour fournir les informations. Alors que si c'est intégré dans les systèmes gouvernementaux, c'est un seul clic, on a l'information. Donc ça, c'est d'abord une question d'information de, d'information et de formation de toutes les parties prenantes au niveau du gouvernement, ministère des Finances, ministère des Mines, etc. Donc on a prévu dans notre plan d'action de faire une formation sur la norme ITUE mhm. destinée à chacun de ces. D'accord. OK. Mhm. le deuxième problème, c'est qu'il y a des exigences, parce que tout ce qui est exigence 1 et les exigences 7 relèvent, ne relèvent pas du rapportage, relèvent plus de la, de la politique et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour que euh, la norme soit respectée. Mhm. Donc, euh, à travers notre, notre plan d'action, euh, la réalisation du plan d'action, l'engagement de la société civile, l'engagement des entreprises, l'engagement des... Donc, au niveau de l'État, il faut que l'État, les obligations qui sont constitutionnelles, notamment la question de la publication des contrats, il faut que cette question soit réglée. Mhm la question de la propriété effective, la mise en place d'un registre des propriétaires effectifs du secteur extractif, mhm. c'est un aspect. Et nous, on fait des propositions. On, a fait une étude qui va être validée en octobre, et on va faire des propositions au gouvernement pour qu'on mette en place cela. Mhm. Au niveau de la société civile, lors la première séance de validation qu'on a faite, c'est que euh, les gens ont reproché en fait qu'on a l'impression que la société civile n'existe qu'à Niamey. Mhm, mhm. C'est-à-dire qu'il y a un, problème de, manque de, d'informations des, ONG et, associations de la société civile à région. et, donc la question de mettre en place un cadre de concertation globale mhm. de la société civile qui est active dans le secteur extractif qui a été prévu dans les textes de l'UTIE devrait être mise en place. Donc ça, c'est un défi. Mhm. Et enfin, au niveau des entreprises, on est le seul pays de l'UE à ne pas disposer de chambre des mines. Mhm, mhm. Quand dans une, chambre de mines, on peut plus facilement participer à la mise en œuvre du processus. Nous espérons que ces recommandations soient prises en compte. Alors, nous sommes à la fin, Monsieur euh, Lopez. Quel est votre mot de la fin Mm, mais de la fin, c'est vraiment. Euh, il faut que. L'ITE, c'est un outil national. Mm-hmm. Et il faut que euh, tous les acteurs euh, s'investissent. Mm-hmm. Il faut que l'ITE soit une maison où on vit. Il ne faut pas que ça soit un cadre de réunion seulement. C'est quand on t'appelle que tu, que, tu vas que tu vas aller. Mm-hmm. C'est pour dire que et, tous les acteurs doivent s'investir mhm. dans les demandes de Maintenant, et euh, par rapport, je reviens. Hein, Rapidement, hein, nous sommes à la fin. <laughs> Donc, il faut, il faut que l'État travaille et, vraiment avec, de concert avec les entreprises mhm. pour vraiment ressortir, ressortir les vrais, vrais chiffres. Il faut donc euh, que tous les acteurs euh, de l'ITIE s'investissent euh, pour faire de cette initiative une effectivité ici au Niger. Alors c'est ici que prend fin ce forum sur la mise en œuvre de l'initiative. pour la transparence des industries extractives au Niger, état des lieux et perspectives. Nous étions en compagnie de M. Aksar, M. Aboulkarim Aksar. Il est le secrétaire permanent de l'UTIE au Niger. Merci d'être venu. M. Ousmane Jubo Lopez, président du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger, le Grain. Merci aussi d'être venu. Nous avons invité le ministère des Mines et celui des Pétroles qui n'ont pas envoyé de représentants. Je suis le fils Adam Sirfo à la modération. La technique était assurée par Issa Lawali, la régie vidéo Mustafa Ayuba. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.